en termes de droits 10 on va tout renégocier parce qu'il nous faut au moins 60 dans les plus brefs délais dans nos richesses naturelles. imaginez si a le pétrole et le gaz 80 milliards lundi quand on va commencer Si soit vous allez à 800 milliards par année 800 milliards beaucoup pour ce budget voyez le bon que ça fait la deuxième chose c'est qu'il faut protéger notre économie loolu est fini muy jaar mooy Macky Sall signé bis buñ ko ratifié bu avons ñu xamni suñu filière industrielle suñu agriculture suñu pêche tout est mort nous on devient des consommateurs pour d'autres producteurs mais on plus n'existe plus troisième chose tout aussi importante moi, il faut privilégier l'entrepreneuriat national demeure toujours sama tous les pays fonctionnent sur la base du patriotisme économique Amérique France Italie la guerre de l'acier dont on nous parle actuellement entre les, États-Unis et les autres c'est quoi c'est le patriotisme économique la guerre commerciale entre la Chine et l'Amérique c'est le patriotisme économique Nous d'abord c'est ça notre premier problème on a créé des élites complexées boo posé le débat on ñu non fais attention ni am alors que nous, c'est ça qu'ils appliquent et c'est ça qui justifie leur développement il n'y a pas à recréer la roue si on veut se développer il faut qu'on s'assume et que les nga xam ne les li ñu richesse ñu fexe ba mu des Sénégal ñu fexe ba privilégier mourir. quand j'ai refusé de prendre du carburant de Total à l'Assemblée nationale. Certains ont dit que c'est de la démagogie politique. Mais que non. Mais Mounoumo Amfi, EDK, Touba, Oil, euh, Elton, je ne sais pas, Elton, des Sénégalais qui se battent pour exister. l'argent public. Parce que l'Union l'Assemblée nationale, c'est l'impôt des Sénégalais. On locaux dans des entreprises sénégalaises. Je vous une entreprise étrangère, vous savez, vous savez, vous savez, vous fanani de n'est pas possible le premier réflexe qui doit être le nôtre moi, nous, xam on ne développe pas le Sénégal à part avec des entreprises étrangères exclusivement et il faut qu'on renforce nos entreprises pour faire fu suñu entreprise entreprises war a am war fa am compétence France nous ñu l'argent du contribuable nous jënd des des véhicules euh, Toyota wala Ford pour l'administration française parce que la France produit des véhicules. La France produit Renault, produit Citroën. mots français Renault et Citroën koy même su doon yeneen marqué, nous avons donc ces gens qui nous disent oui vos discours là c'est du nationalisme eux-mêmes c'est ce qu'ils font tous les jours chez eux pour protéger leur économie. la troisième chose et je vais revenir sur ce qu'on va faire maintenant pour appeler économie Bon, j'appelle l'économie, mu tu crées des emplois Sous économie doxul tu ne crées pas d'emplois. c'est aussi simple que ça la troisième chose moi, koppar le franc CFA on ne peut pas se développer avec le franc CFA je suis catégorique Vous c'est-à-dire que lay jox koppar goo xam ne ñi pour que nous entreprises entreprise mën continuer liggéey sans supporter les risques de change loolu le franc CFA on nous dit que ça nous permet d'avoir une stabilité. Mais c'est nous qui finançons la stabilité. Bis vous déposer 50% de tes réserves au trésor français nous dévaluer So, tes réserves il faut déposer. sous euh, 20% du taux de couverture nous dévaluer Moi, en 1993 nous dévaluer parce que nous demandons des réserves de watch à 17% c'est nous qui assurons notre stabilité ce n'est pas la France donc tous ce qu'ils disent que la le franc pas... petit c'est des histoires. Et le pire, c'est qu'on nous dit que nous sommes des incompétents. On est indépendant, on peut gérer une politique de santé, d'éducation, d'agriculture, mais dans le nous, on ne gérer ce pas. Sur 54 pays africains, il n'y en a que 14 qui ont ce système monétaire. Et c'est les 14 qui sont classés en bas de l'échelle du développement en Afrique. Est-ce que le Maroc a, a le franc CFA est-ce que la Tunisie a ça Est-ce que l'Afrique du Sud là, Botswana, Éthiopie, ils ont leur monnaie Le Kenya Kenya d'autres lèvent ça en devise étrangère Mais à partir de maintenant si je en naira je leb parce que taux de change bi sur la dette si je lève en devise étrangère de sortie. Donc, pour que nous koo am il faut nga am sa monnaie bop. l'autre élément c'est qu'il faut qu'on reprenne notre souveraineté monétaire c'est un impératif vais yëpp nag boo ko ressources naturelles, souveraineté monétaire, protection minimale de l'économie dans le respect des accords qu'on a signés du cadre OMC. Priorité accordée aux entrepreneurs nationaux. Beaucoup d'effets créent un cadre qui peut amener le Sénégal vers le développement et donc vers la création d'emplois. Et c'est pourquoi nous, nos propositions dans le programme, parce que c'est important. Premier élément, à moi, le financement de l'économie. Il faut que nous rationalisions le financement. Nous avons tous les organes qui nous créent, qui tournent autour de ça, que ce soit le fonds le fonds 6, euh, petit DRV nous pour amadouer les jeunes à la veille d'une élection. Nous avons regroupé dans le cadre de la caisse de dépôt et cocher consignation, mais avec des branches orientées le travail de cette caisse vers le financement effectif de l'économie. Deuxième chose, moi, je créer ce qu'on appelle des fonds patriotes pour soutenir deux catégories la première catégorie c'est les entrepreneurs sénégalais on a dit 25 milliards par année sur les 5 ans de mandat c'est 125 milliards uniquement pour soutenir l'entrepreneuriat national deuxième vie, c'est le même montant pour soutenir les jeunes entrepreneurs et les start parce que les sénégalais sont très inventifs MashaAllah qui le domaine des nouvelles technologies. Partout dans le monde et ici au Sénégal, il existe des jeunes Sénégalais qui prennent des initiatives, qui réfléchissent et qui inventent des choses. Mais amenons cet accompagnement qu'il faut pour nous monader. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner ces startups-là. Amden équivalent Silicon Valley, FI Sénégal, sur ce domaine-là. Mais tous les autres entrepreneurs, qui agriculture, qui aviculture, etc., nous avons un fonds solide de soutien que ces jeunes-là puissent entreprendre. Troisième moi mobiliser notre secteur privé dans l'exécution des grands travaux, des grands marchés nationaux. Ça, c'était le financement de l'autoroute à B. Néanmoins, 148 milliards de 148 milliards le secteur privé n'a mis que 61 milliards et c'est le secteur privé étranger il aurait suffi pour régler le problème Bobo, il aurait suffi simplement d'avoir 150 000 Sénégalais qui acceptent, chaque, chacun de donner 1 million pour que tu finances totalement ce projet-là et qu'on le fasse avec le secteur privé national. Mais il y fait une entreprise étrangère, nous avons 61 milliards règles sur un financement initialement c'était 148 milliards, compte non tenu des indemnisations à yeneen parce que so, so a 300 milliards il y a 61 milliards il jox la suñu autoroute à péage nga fixer tarif yu la a di surexploiter les sénégalais nguuru Sénégal toog di ans parce que ñemewuñu sax wax ni halte ce qui est le plus frustrant dans ce qui se passe nos gouvernants ni ma leen tuddee pas ragal waa bitim réew ñeme sa waa réew lu ne mën nga ko à sa waa ça, mais bu tubaab ñëwee nous n'avons pas de ko ça, c'est un élément extrêmement important. Faire les choses en mettant en place ce qu'on appelle des garanties souveraines. Parce que l'on doit permettre, on nous de faire exim Bank. Parce que soit les Exim Bank, par exemple, soit les Exim Bank China, Chinois, ils les lèvent, mais dès qu'il y a des taux d'intérêt grands, on parler de la chantier, tu vas les faire avec une entreprise chinoise par la force mais kuy ëmb sa sànqal on sa sutura comme on dit mais su ñu defee un fonds de garantie souveraine nos entrepreneurs ne nañu jël place pour ñuy jox ñeneen parce que nous avons une ensuite adapter le cadre légal pour un financement participatif Moi, di def ay appel public à l'épargne sénégalais yi ñi ci tane war nañoo a ne day doon day l'épargne nationale du pour financer nos trucs il y a aussi le fonds d'investissement privé des Sénégalais de la diaspora pour participer au capital social des entreprises multinationales. parce que nous, nous bëgg entreprise buy jógee une part minimale du capital que les sénégalais ñoo nous téye mettre en place un fonds pour accompagner les sénégalais qui veulent apprendre pour le monde des parts d'action il y a aussi euh, pour dire toujours les fonds.

environnement social kan mo wax lan Sénégal et rien que ces organes là nous coûtent 15 milliards minimum par an au Sénégal nga jël les surfacturations sur les marchés publics c'est 230 milliards par année minimum au Sénégal waxuma la la corruption ak yeneen ak y a nak boko di les moyens de créer le cadre pour booster l'économie et quand tu boostes l'économie, tu crées des emplois par milliers et les jeunes et les moins jeunes vont trouver de l'emploi au Sénégal. Nous, c'est ça qu'on vous propose ce contrat, mais on ne va pas venir vous donner des chiffres comme ça. Celui qui dit qu'il fait un million d'emplois, de, il n'a qu'à vous dire comment. Parce que moi, j'ai une économie, moi, j'ai une ressource naturelle, moi, privilégier les entreprises étrangères au détriment des entreprises sénégalaises. Comment est-ce qu'il faut créer des emplois dans ce pays on m'a posé aussi une question. Je vais aller très vite parce qu'on me dit que mon grand frère est arrivé. Euh, on m'a posé également une question sur l'environnement. Débat environnement de Foronec au cœur du débat de cette élection-là. J'ai entendu quelqu'un dire les, gens ne parlent jamais d'environnement. J'ai dit il faut aller lire mon livre parce que nous avons bien identifié les risques environnementaux au Sénégal. Niente moi, l'avancée de la mer bayou ci xel nak de mais gis nga li commencé am diggante goxu mbaj ger am fi à am Bargny am fenen si on y prend garde tout le littoral sénégalais géej gi dina ko nangu deuxième risque bi c'est l'avancée du désert au nord dans les 50 ans à venir si on ne prend pas des mesures radicales le Fouta sera invivable troisième risque bi moy suñu forêt yi nga xamné tey soo demee Casamance nous qui avons grandi là-bas dans tout le Fouta il y a pratiquement plus de forêt te su doon sax lu ñu dagg mu ànd ñëw ci économie nationale mais ja dagg jàllale Gambie des gens traité ko foofu génne réew mi Sénégal amu ci dara. quatrième risque bi c'est les remontées salines tey xorom si mi ngi nangu tool yu bëree bëri bëri bëri dans le Saloum dans le sud du Sénégal partout terre agricole yi mi ngi wàññeeku parce que xorom si mi ngi remonté ça c'est les risques environnementaux Il y milliard de trains ci train 38 km il fallait prendre des mesures radicales nous avons fait des propositions pour l'avancée de la mer Amener des techniques et des technologies qui existent le Japon c'est une ville de la mer le Japon a élaboré des techniques très sophistiquées la casser la force des vagues ba vagues yi suy egsi ces techniques on peut les appliquer au Sénégal parce qu'on est moins exposé que le Japon il faut y mettre les moyens il faut réorienter les priorités du Sénégal c'est la même chose pour l'avancée du désert et les impacts sur l'agriculture et levage c'est pourquoi nous, si on est élu nous avons ay projet yo xamné la revitalisation des vallées fossiles parce que Sénégal depuis Abdou Diouf ba ñu mais président bu dans parce que simplement notre voisin la Mauritanie a dit que nous nangu ñu prélever fleuve Sénégal pour alimenter les vallées fossiles alors que nous avons ñun chaque pays doit na prélever jusqu'à un certain point. mais pourquoi nos leaders continuent j'en profite pour parler des rapports de bon voisinage. À l'Assemblée nationale, je me suis battu contre le partage de notre gaz 50-50 avec la Mauritanie. Senghor avait pris sur lui de donner la rive gauche sans consulter les Sénégalais, au nom du bon voisinage. Il avait pris sur lui de donner une bonne partie de notre frontière sud à la Gambie au nom du bon voisinage. Nous avons ne jox leen mais suñu pétrole mais bon voisinage ben côté rek la quand les pêcheurs sénégalais traversent pour aller aux eaux mauritaniennes on leur tire dessus ça c'est le bon voisinage pour notre agriculture on a besoin sans compromettre le fleuve Sénégal qui en période d'hivernage par exemple des am crue ndox mi walangaan lépp dem déverser vers cerf. on aurait pu capter tout ça pour revitaliser nos vallées fossiles et recréer les conditions d'une agriculture et de l'élevage. Pourquoi nos hommes politiques reculent devant ça nous aussi on est élus, je prends l'engagement. Toutes les vallées fossiles, Mouy Boupaol, Mouy Canal Kayor, Mouy on va les revitaliser parce que ce qu'on a fait, on recrée la vie, l'élevage et l'agriculture dans tout le Sénégal et nous avons 12 mois sur 12, on les 3 mois sur 12. Ça, c'est important par rapport à l'environnement. Pour les questions liées aux, forêts et autres, moi, il faut appliquer simplement la législation. Je vais accélérer parce qu'on euh, on me dit que le temps qui nous était imparti est quasiment arrivé à terme. On m'a posé aussi une question sur euh, la culture. La culture, comme disait l'autre, est au début et à la fin de toute civilisation malheureusement au Sénégal la culture c'est ko culture rek nit ñi nangam mais la culture c'est un facteur extrêmement important de développement et il faut qu'on conçoive la culture beaucoup plus comme un facteur économique que comme un facteur de jouissance simplement si on veut donner à la culture le cachet du moire dans un pays et pour cela il faut que l'État accompagne sérieusement la culture d'abord nous euh, la production culturelle am les sites culturels am aussi les acteurs culturels nous avons des sites culturels formidables am une nature pour soit soit dans les îles du salon dans les îles euh, euh, de de la Casamance. Jogé, caravane, etc. Soit demain dans le parc de Jute au nord. Partout au Sénégal, il y a des sites formidables que des gens aimeraient venir visiter. C'est des sites culturels, sans compter le patrimoine historique, parce que la colonisation a laissé des vestiges. La deuxième chose, c'est la production culturelle, qui est une production artistique. Moui musique, moui danse, moui artisanat de manière générale. J'ai dit hier en Gaï que je ne peux, plus admettre, je ne peux pas admettre que le Sénégal exporte des pots, alors que nos artisans, qui sont très compétents, ne peuvent pas accéder à, cette ressource-là pour défendre ñu sacs, sac ceintures, ceinture ak ak monde entier qualité donc il faut accompagner les acteurs culturels par la mise en place de fonds non seulement le fonds culturel national dont vous avez parlé madame mais dans notre programme on a dit qu'on va exiger que dans chaque budget communale et dans chaque budget départemental, nous inscrivons des fonds culturels conséquents. Évidemment, comme nous, avons une politique de décentralisation très approfondie pour que les cultures locales aient les moyens de leur politique, de nous beaucoup affaire au niveau national au niveau de chaque commune et chaque département on va inscrire des fonds culturels conséquents pour que depuis la base le quartier la ville la région jusqu'au niveau national les acteurs culturels puissent avoir l'accompagnement mais également l'accompagnement social. Ah, les acteurs culturels n'ont aucun accompagnement social. Quel a n'ont amul protection sociale, quel a n'ont amul retraite, voilà le néo quel n'ont amul assurance maladie, ainsi de suite. Et pourtant, c'est un pan entier. Les acteurs culturels n'ont dans ce pays que les fonctionnaires. Et nous, dans notre programme, on a dit qu'on va mettre en place un système allégé de protection sociale avec des transferts de l'État, par exemple tous les impôts à caractère social, la taxe sur le tabac, la taxe sur la, pollution, il y reverser à ce à ce système de protection sociale mais avec des cotisations minimales pour que l'acteur culturel Mouna Fayou, lui et sa famille même sur Amoul, les moyens de le faire qu'il puisse à la fin de son en tout cas à 60 ans Mouna comme Miep, percevoir une pension, qu'ils puissent être protégés contre les accidents de travail, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout un programme. En tout cas, nous vous invitons à lire notre programme, vous verrez qu'on a beaucoup prévu pour les acteurs culturels. Ensuite, maintenant, euh, je crois qu'il y a une question sur la sécurité routière. La sécurité, de manière générale, on a beaucoup développé et mon temps d'antenne aujourd'hui au niveau de la RTS. Je l'ai enregistré hier à Saint-Louis, c'est sur la sécurité. Mais vous savez, la sécurité routière, ça interpelle tout le monde. Là, parce que quand vous voyez quelquefois, il y a une autorité au Sénégal, vous vous dites comment ce véhicule a pu avoir une visite technique ici au Sénégal. Et pourtant, on arrête des véhicules neufs, on les soumet à des contrôles, on les, on les verbalise même, mais tu vois des véhicules ont depuis avant ma naissance je suis venu et pourtant suñu contrôle technique nous avons le contrôle technique ça c'est la responsabilité de l'État que ait que ci circulation aussi les hommes en tenue et qui ferment les yeux sur des cas graves parce que simplement quelquefois pas tous les hommes en tenue je tiens à le dire les gens ont donné quelque chose ça ça relève de la responsabilité de l'État la qualité des routes ça relève de la responsabilité de l'État mais il y a un aspect éducatif important. Chacun d'entre nous doit s'éduquer à respecter au minimum le code de la route. Parce que chacun d'entre nous, nous nous connaissons entre Sénégalais, nous faisons ce que nous voulons aussi quelquefois dans la circulation. Chaque jour, nous avons def le Tous ces aspects doivent concourir. Mais quand il y a un État fort qui applique de manière stricte parce qu'on a le même code de la route que le code de la route de la France ou de la, la première chose jox ko intrant jox ko ko à les bonnes techniques de culture accompagner ko durant tout ce temps là Pour parlez, ba récolter nous commercialiser parce que l'époque bi ma dugg yëpp Saloum Sine ba Casamance nit ñi nee nañ ma gerte baa ngi nii tamaate baa pour les les les éleveurs les gens sont obligés bazarder ko parce que mënuñu commercialiser et on s'est rendu compte que segment yooyu yëpp ben mafia il faut dire les choses telles quelles Bon, amne avec la la complicité de l'État Moi, fi nekk am ci mbay mi baykat bi ñàkk pendant trois mois mënu ko am ci mbay ñun nak si on nous fait confiance lool dina jeex dootul am intermédiaire entre baykat bi ak usine bi liggéey day doon baykat bi usine bi ak parce que l'État bi le garant mais d'autres nangu mu am intermédiaire gannaaw nak buñu accompagner sur la phase bi tout, mais aussi on met en place des industries qui peuvent transformer tout ce qu'on produit au Sénégal pour créer de la valeur ajoutée kon on ñu dit, qu'il ci mbay mi waxna légui problème ndox mi baykat yi tam dañu wara a xam ni bay buy def deux mois ou trois mois ci at bi mënul doon bay rentable il faut accélérer le ko bu c'est les questions qu'on m'avait posées malheureusement euh, tant bi daf ñoo dab ñu ngi leen gërëm bu baax merci beaucoup. merci merci beaucoup président Sonko s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît voilà euh, euh, juste avant ma yes ce problème organisation bi dama la bëggoon signaler né am nañu ay partenaires important importants yo prendre la parole comme loi Sénégal vote ils ont sillonné le pays, ils devaient faire avec nos débat, le débat entre les candidats. Ils se sont alignés, ils sont venus avec nous et ils ont fait un travail remarquable. Vous venez Sénégal, ils retirent les questions, vous pouvez nous poser, mais tant pis malheureusement permettre nous. Il y a aussi, mais on ne se l'est même pas permis, parce qu'il y a Yana Maris, il y a une préoccupation, l'idée qui est extraordinaire, suis à vous.

donc président Sonko encore une fois de plus nous voulons remercions remercier ci temps que nous jël accordé ñu pour échange bi la jeunesse bi le symbole bi nous avons représenté pour ñu inviter la vidéo. nous yow tamit ñu la koy remercier beneen nous. li ci il reste encore quelques jours de campagne mais nous, ce ñu ci yemb que les jeunes aillent voter massivement yéen a ngi ñuy dégg candidats yi ñëw nañu wax dégg ngeen li ñuy not yi ngeen di attribuer nag da ngeen dem ci biir urne yi da ngeen jël seen carte d'identité seen jël ngeen di seen carte d'électeur ngeen dem noté seen candidat bi ngeen xam ne moom moom ngeen di nombre de vues yi ngeen di nombre de vues yi kilifa na nombre de vues yi ngeen di tiitaroo ci Facebook bi nombre de j'aime yi ngeen di tiitaroo ci Facebook bi ak ci réseaux sociaux yi na nekk ay carte d'électeur yu ay nekk ay vote yu maintenant dinaa bu ma remercier président Sonko ma président ma dikkee mi ngi fii déjà yegsi na ba paré donc dañuy ñaan ñi nga xamné ñu permettre ko mu génn tranquillement pour que président bi dikkee mu ñu dugg ci ñu enchaîner parce que sinon rek bu dikk nañu fekk té niñ ko tambalé ni war nañ ko yeggalee ci discipline donc ñu ñaan leen ñëpp tok ñu génn permettre ko mu génn tranquillement président Sonko merci et bonne chance pour le reste ñaan ñëpp ñëw toog na ñëpp toog may ko mu génn tranquillement